L'actualité en continu, Gaïa, actualité de Fassine Wartaner donc Henri Seyvé encore buteur en forme. Tidiane Sabali également doublé. Wartigan donc Pape Alassane Gueye, mais aussi le Paris Saint-Germain qui régale. Jude Bellingham qui envoie un message à ses coéquipiers et supporters au Real. Les Pnag du Fassine Bata, Blata Bob Nagna pré préqualification de Coupe du Monde, Sénégal de demi-finale avec Rwanda. Le donne 18h, match Amsolo, match exceptionnel, Bougnou Pédéra. Les Lions du Sénégal donc war a Rwanda avec les coéquipiers donc de Kidi Didi Kan ak aussi Diop et autres pendant ce temps Hamid le défenseur donc dal Hilal a il a la Al accord donc mom day dem Roma plutôt donc il va aller jouer du côté de la l'AS Roma qui de Hamid daaw mu nekkoon nag ci défense euh, ñi di Al Hilal ak Koulibaly ki nak di donc euh, Romelu Lukaku accord mu jëna am euh, Chelsea ak Napoli comme le voulait Antonio Conte qui comptait donc sur Romelu Lukaku donc donc day dem euh, pour remplacer un certain Osimhen qui est en partance vers euh, Chelsea pour l'instant Qui n'a également des Clément l'anglais, hein, du côté de l'Atlético de Madrid donc ils veulent avoir la paire hein, le normand ak donc l'anglais paire française hein, parce que normalement moom des joueurs pour Espagne donc double nationalité mais il ñaar ñu ñuy former euh, défense bi qui nak di Claudio Bravo néna na Barça dañ koy gérer comme équipe bu ñu ne Barça jamono ji ñi koy gérer comme kuy gérer équipe bu ndaw quoi ay décision yu doof la ñuy jël ay jaay ay gund bàyyi gundogaan bu dem fii ak yooyu ah donc yëpp yëfu yëfu dof loolu daal moom bravo boo ko tuddee noonu nee daal daf mel ni club bu ndaw la ñu yaakaar ne moom la ñu pendant ce temps Rodrigo ak Bukayo Saka booy xool gars yi saison daaw 57 hein, matchs pour Rodrigo 17 buts 8 passes kii nag Bukayo Saka 47 euh, matchs 20 buts ak également 14 passes le niveau est très haut si diggante ñaari joueurs yi Jude Bellingham nag nee na moom li ko gën a naqari mooy euh, blessure mosu ko bëgg mais nag xëy yaramam Momo, en forme pour l'équipe mais aussi fekk ci ay wax ki nak di Gallagher mom nak dem du côté de fi nga xam moy donc Gallagher dem du côté de euh, Atlético Madrid nee nak man sama décision qui yëgu si man motivé moom bokk na ci tax nangu jouer pour Atletico Madrid mom nga xam numéro 4 de la di récupérer Pape Alassane Ner de mon football gauche magique gay titulaire avec ñi nga xam Villarreal aujourd'hui il a fait un match énorme hein, un match exceptionnel sa première en tant que titulaire du championnat bi Ghana bu mu joggé won Séville hein Séville ko ñok Séville donc il a fait un match correct, Pape euh, euh qui n'a également Florian Wirtz, encore buteur, sauveur de cette équipe de Bayern Leverkusen. Donc, nous avons donc Florian Wirtz, nous avons une victoire à la 98e minute de 10e euh, minute de jeu, un hein, petit penalty. Là, dernière nous avons Florian Wirtz, hein. donc le Paris Saint-Germain avec son festival, le Paris Saint-Germain qui euh, régale, le Paris Saint-Germain qui humilie Montpellier, 6 buts à 0, mais aussi avec Gaï, match bu Paris Saint-Germain c'est Paris Saint-Germain bu fort là, hein. c'est une équipe beaucoup plus collective on Mbappé bu Paris Saint-Germain Bradley Barcola 9 10 il a fait un doublé mais on a un boy également di ngeen le futur plus que Mbappé parce qu'il est très technique booy le Paris Saint-Germain avec sa jeunesse le Paris Saint-Germain actuellement là, mi ngi daal di mais aussi Joao Neves gaï yi deux matchs quatre passes décisives tey encore defaat na li nga xam mooy Joao Neves passe pour lumineuse la def ci est nga xam donc Bubu qui euh, dit euh, donc euh, Asensio il a été énorme phénoménal Qui nga xam donc Joao Neves mais aussi que dire de qui nga xam donc Achraf Hakimi le capitaine de cette équipe marocaine mais aussi l'un des cadres et donc du Paris Saint-Germain il a été aujourd'hui énorme moo ëpp lu mu def ay passes récupérer ay balles et tout il a été phénoménal et aussi il a bouclé la boucle par un but nee Sénégal dem Djeliko, 2024 2023 Margot un peu mu et que le politique sportive bu baax moo koy may dem jëli bi équipe jeune bu France c'est un gosse qui bon, xam Sénégal boo war a tey jël def Henri CV. buteur Henri Saivet buteur hein, et passeur décisif euh, si match bi la passé encore il a été buteur deux buts en deux matchs euh, le joueur euh, donc de Clermont moo leen jox sax donc Ndamli, Henri en forme mu fekkee notre nombre de statistiques lay wax et joueur en forme actuellement Henri Saivet il est en forme El Tactico xamu yaa ngi dégg ou pas Cheikh Tidiane Sabali également doublé avec le FC Metz le Sénégalais formé également du côté de Génération Foot il est aussi en forme comme je dis mon boy le boo xam ne mën na jouer également nank équipe A mais pourquoi pas équipe A mais aussi équipe espoir yooyu bu ñu ko fàtte ah gars yi li ma nekkoon information ñu jox c'est toujours un plaisir de vous servir bu leen fàtte gën a jàpp ci combat bi gars yi abonné ci chaîne bi di Baba Show agrandi ko nee nañ foofu la ñuy prioriser gars yi mais aussi eSport TV bi ngeen gën ko agrandi TikTok bi nag e-sport TV 1 la Instagram bi e-sport Inter su baaxee ci yéen su ba suñu la gars yi l'information claire et en continu jaa